le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Quelles mesures de prévention contre le Covid-19 dans les transports publics cas de l'aéroport international de Niamey C'est autour de cette interrogation que tourneront nos échanges de ce soir. Il y a exactement cinq mois que les frontières aériennes du Niger sont rouvertes. Elles avaient été fermées au mois de mars passé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie du Covid-19. Au Niger, la tendance à la baisse des cas confirmés positifs au Covid-19 a permis de les rouvrir dès le 1er août 2020. Cependant, ces dernières semaines, l'on remarque une augmentation, voire une progression de nouveaux cas de personnes infectées au Covid-19. Ainsi, selon des chiffres du ministère de la Santé publique, à la date du 14 décembre 2020, l'on dénombre au total 2322 cas déclarés positifs au Covid-19, parmi lesquels 1294 personnes guéries, 82 décès et 946 personnes porteuses de la maladie du Covid-19. Alors, quelles sont les principales causes de cette nouvelle vague de cas de contamination au Covid-19 Quelles sont les principales mesures de prévention contre le Covid-19 mises en œuvre à l'aéroport international de Riyamani du Niamey quels sont les points forts et les éventuelles limites de ces mesures. Pour y répondre, nous avons invité M. Bourré Massadou, il est membre de la commission changement social et comportemental au ministère de la Santé publique. Nous avons également dans ce studio Dr Adamou Lagaré, il est virologue au Centre de recherche médicale et sanitaire Sermes. Et je rappelle que nous avons invité le ministère des Transports ainsi que l'Agence nationale de l'aviation civile sans aucune réponse de leur part. Je suis Alassane Kouzi Mohamedou pour la présentation de ce forum. Bienvenue à tous dans ce forum. Euh, je le disais, de plus en plus de cas confirmés positifs au Covid-19 sont enregistrés au Niger, faisant entrer le pays dans une seconde vague de, contamination, de contamination au Covid-19. Je commence tout de suite avec vous, Monsieur euh, Bourema Sadou. Euh, vous êtes membre donc de la commission changement social et comportemental au ministère de la Santé publique. Dites-nous, selon vous, quelles sont les principales causes de cette remontée en flèche des cas de contamination au Covid-19 et comme vous le dites, euh, depuis un certain temps, on, a, on remarque une augmentation des cas de, la maladie. Et à mon avis, je pourrais donner un certain nombre d'explications. De, d'explications. D'abord, euh, après la première vague, il y avait eu l'ouverture des aéroports mm. qui, qui était suivie d'un certain nombre de mesures, mm. dont euh, l'obligation de présenter un test de COVID-19 négatif mm. avant d'embarquer pour euh, un avion. Donc, et euh, cette demande de, de, a quand même euh, augmenté les, le nombre de tests mhm. et du coup euh, le nombre de positifs. Euh, avant l'ouverture des aéroports, mhm. c'était seulement les malades ou ceux qui ont des signes les alertes, ceux qui donnent des alertes, ceux qui appellent, qui font qui font les tests. Mhm. et après l'ouverture de la des aéroports il est demandé à tout voyageur de présenter un test mm. obligatoirement. Mm. Et ce qui a fait qu'il y a le nombre de tests a augmenté. Mm. Et du coup, ça a également augmenté le nombre de cas positifs. Au début, c'était seulement ceux qui ont des signes évoquant la maladie ou bien des personnes qui étaient en contact avec, euh, une personne testée positive qui, qui font l'objet de tests. L'autre aspect, c'est aussi également les immigrés ou les, migrants de façon générale, parce que eux aussi, à l'entrée, il faut leur faire le test. Et euh, plus le cas des tests augmente, plus euh, euh, le nombre de positifs aussi. Donc, parce qu'on dit que la maladie continue toujours de circuler. En, réalité, les gens ont oublié que la, le virus circulait mhm. et que pour la plupart des cas, on reste asymptomatique, donc on ne présentait pas de signes. Et quand vous vous présentez pour euh, le bulletin de, Covid pour le voyage, parfois on teste et puis on constate que la personne est positive. Est-ce qu'on est, euh, on peut être tenté de penser que euh, il est probable, il est probable qu'on ait plus de personnes porteuses de la maladie asymptomatique que de personnes qui manifestent la maladie, qui ont déjà des signes. Effectivement, dans dans la littérature même, on, disait que pour les personnes qui vont être infectées par la, le virus, hmm. environ 80% vont rester asymptomatiques. Donc vous voyez, c'est uniquement les 20% qui peuvent les 20 qui vont présenter les signes et hmm. parmi eux peut-être c'est les 5% qui vont présenter des signes graves. Hmm. Donc, si bien que euh, la maladie, le virus peut en train de circuler dans la population, mais euh, les gens ne les gens, la majorité peuvent ne pas présenter de signes. Alors, vous avez cité donc entre autres le nombre de tests qui, tests qui a augmenté et aussi euh, la question des migrants. Oui, effectivement, les migrants, pour euh, les personnes qui sont refoulées, par exemple, au Niger, via, euh, par exemple, via l'Algérie, l'Algérie, sont systématiquement testés. Et parmi eux, on a malheureusement trouvé beaucoup de personnes positives. Il y a depuis un certain temps également sur la, frontière avec le Mali vers Ayeru, hmm. On a également constaté l'arrivée des, personnes, des Nigériens hmm. qui viennent d'un site olifère. Hmm. Et malheureusement, parmi eux, beaucoup ont été également testés positifs. Au niveau de la région de Tilaberi, c'est ça La région de Tilaberi, au poste d'entrée d'Ayuru. D'accord. Merci. Nous allons passer euh, à, vous, docteur Adamou Lagaré. Je le disais, vous êtes virologue au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Alors, quelles autres euh, causes peuvent expliquer cette euh, recrudescence du Covid-19 Donc, à côté de ça, on peut aussi apporter d'autres. raisons. D'autres raisons. Mmh. notamment aussi, il faut voir aussi qu'on est en train d'amorcer une saison euh, froides, où mm. les températures sont plus ou moins, en tout cas, favorables mm. de façon générale à toutes les infections respiratoires. Mm-hmm. Quand on voit, au fait, selon les saisons, quand on voit un peu les, euh, les chiffres, les statistiques en termes de santé par rapport euh, à la euh, aux différentes maladies, nous avons des tendances. Donc les tendances, effectivement, sont à la faveur actuelle à ces temps, à la faveur des, infections respiratoires en général et des maladies, qui la Covid, qui est une infection respiratoire. Ça aussi, quand il ne faut pas l'oublier. C'est ça qui fait. Donc, euh, on a les mêmes tendances qu'on voit en Europe. On parle de deuxième vague, l'hiver. Et là, nous sommes aussi autour de notre euh, petit hiver. C'est la saison froide de l'État. Effectivement, donc euh, ça c'est aussi un point. Des Oui, mais un, un, deuxième point, effectivement aussi, il faut, il faut rapporter certainement que le virus n'a jamais disparu. Il hmm. était en train de circuler réellement. Hmm. Euh, peut-être à petit feu et effectivement toutes euh, à, travers les cas asymptomatiques. Et du coup, maintenant qu'on cherche beaucoup plus, on en trouve. Hmm. Donc, euh, ça, explique beaucoup de choses. Vraiment, euh, Sadou, je rappelle, vous êtes euh, membre de la commission changement social et comportemental au ministère de la Santé. Est-ce que d'abord, c'est vrai qu'il y a eu relâchement au Niger de l'observance des gestes barrières et comment est-ce qu'on peut expliquer ces relâchements euh, effectivement, depuis un certain temps, donc je disais un peu avant le 12 novembre, il y avait eu beaucoup de fois où euh, le Niger enregistrait zéro cas. Hum. Pendant peut-être deux jours, trois jours, quatrième jour, il y a un cas, deux cas. Hum. Et du coup, les gens ont commencé à relâcher parce qu'ils ont pensé que la maladie est terminée. Est terminée. Et euh, tout à l'heure, malheureusement, le virus ça jamais disparu. Le virus circulait, malheureusement, les gens ont euh, relâché les, les gestes barrières. Hmm. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est également lié au, au, déni de la maladie. Hmm. Il y en a beaucoup qui ne croyaient pas à la maladie, qui pensaient en tout cas que c'était faux. Et du coup, on n'a pas euh, les gens ne respectaient pas, en tout cas, les, gestes barrières. C'est un peu ces deux aspects-là que je pense euh, ont contribué au relâchement. D'abord, on a commencé à rester moins de cas. Et puis, il y a également le déni de la maladie. Docteur Lagaré Adamou, euh, vous partagez <coughs> cet avis. ce relâchement est lié probablement au fait qu'il y a eu un certain temps moins de cas, souvent zéro cas. Et effectivement, comme il l'a dit, à ce jour encore, il y a beaucoup de Nigériens qui sont dans le déni total donc de l'existence de cette maladie. Ouais, Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que c'est ça, c'est c'est évident. Effectivement, la, la, la plupart des, des, actions qui ont été en tout cas mises en place. Euh, euh, d'aller au temps fort de cette maladie, notamment c'est à partir depuis avril-mai, quand on était vraiment au pic hmm. euh, en 2020, au premier pic de 2020. Donc, euh, ces mesures euh, ont connu en tout cas un certain assouplissement hmm. au vu en tout cas de, de, l'évolution de, la maladie. Notamment, on savait qu'à un moment même la ville de Niamey était complètement euh, confinée, on ne pouvait pas rentrer. L'aéroport, hmm. les aéroports étaient fermés, les écoles, les, lieux de culte, etc. Donc il y avait beaucoup de choses effectivement au vu de l'évolution qui ont euh, qui ont été revues. Et certainement, maintenant, peut-être euh, ça a concouru peut-être à faire euh, à maintenir maintenant l'activité euh, du viral mm. et peut-être à, créer en tout cas une certaine recrudescence de la maladie. Mm. donc, je pense que c'est des points en tout cas très qui, qui, qui, qui, sont à la faveur de la reprise de, de, de, de l'activité mm. virale. Merci, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre sur la deuxième partie de cette émission. Alors donc nous abordons la deuxième partie de cette émission donc euh, concernant les mesures en vigueur contre le Covid-19 notamment au, niveau de l'aéroport. Euh, devant la reprise des contaminations au Covid-19 avec des nombres croissants. En novembre passé, donc, le ministère de la Santé publique a pris des mesures tendant à rappeler aux populations l'importance du respect des gestes barrières. Le ministère a, par la même occasion, annoncé l'entrée en vigueur à compter du vendredi 20 novembre 2020 de nouvelles mesures au niveau des aéroports, notamment à l'aéroport international du Rahman de à ce sujet, euh, suivons un extrait de l'allocution du secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Rana Wabaché, sur les nouvelles mesures Compte tenu de la situation, de nouvelles mesures concernant les voyageurs rentrant au Niger par voie aérienne seront appliquées à partir du 20 novembre, à savoir 1. Si le test COVID-PCR est négatif, le voyageur est soumis à l'auto-isolement obligatoire à domicile pendant 7 jours, avec les conseils appropriés pour le respect strict des mesures barrières et le recours aux services de santé le plus proche aux besoins. Le passeport du voyageur sera retenu par la police jusqu'au contrôle au 7e jour. Le passeport lui sera restitué après présentation présentation du résultat des tests Covid négatif. Chaque voyageur autoconfiné sera soumis au septième jour à un test Covid-19. Si le test est positif, il sera pris en charge conformément au protocole national. Si le test est négatif, il sera mis fin à l'autoconfinement et vaquera à ses occupations. Des équipes de la riposte passeront régulièrement pour évaluer les paramètres de surveillance et surtout de l'effectivité du respect des mesures préconisées. Voilà, donc euh, vous venez de suivre Dr Anna Obaché, il est le secrétaire général du ministère de la Santé publique euh, qui nous entretenait donc sur euh, les nouvelles mesures qui étaient entrées en vigueur le 20 novembre 2020 passé. Alors, Bourema Sadou, vous êtes membre de la commission changement social et comportemental au niveau donc, du ministère de la Santé. Dans la pratique, comment ça marche l'application de ces mesures euh, prises par le, ces mesures préventives instaurées donc à l'aéroport notamment euh, de Niamey euh, Ok, donc par rapport à quand les, aéroports ont été ouverts, hmm. donc euh, il y avait un certain nombre de, mesures qui ont été préconisées, hmm. dont euh, la présentation du bulletin mm. négatif mm. avant d'embarquer. De, moins, de 72 heures mm. à, compter de, date du voyage. Donc, euh, euh, on avait instauré cela pour, pour tous les voyageurs, en tout cas au départ. Il faut présenter un bulletin négatif datant de moins de 72 heures. Et également, au niveau pour ceux qui rentraient, également doivent présenter ce, ce bulletin-là. Mm. Et des mesures, euh, c'est-à-dire la prise de la température, la désinfection sont également exigées mm. pour tout euh, passager qui arrive au Niger. Maintenant, à un certain moment, on avait également demandé de la rétention des, passeports parce que il y avait un certain nombre de problèmes que les gens observaient par rapport à l'auto-isolement mm. qui n'étaient pas respectés. Mm. Normalement, celui qui vient à, Niamey, à l'aéroport Djuri Hamani, mm. ne doit pas quitter Niamey. Mais dans la pratique, on a, on a vu qu'il y avait des difficultés pour appliquer cette mesure. Et ça fait à peu près une semaine cette mesure a été levée par rapport à la rétention du, du passeport. Mais toutes les autres mesures sont maintenues. À ce jour, la mesure de retrait des passeports jusqu'à euh, l'autoconfinement d'une semaine, elle est levée maintenant. Non, c'est seulement la rétention de, du passeport qui Mais l'auto-isolement pendant 7 jours est maintenu. Mm. Mais quand le malade et le passager vient, il, euh, sort de l'hôpital en, présentant, en présentant le, document. Le document, il sort avec son passeport. Hum. Mais il lui est demandé de respecter le 7 jours d'auto-isolement. Hum. Parce qu'à un certain moment, euh, il y avait eu des problèmes par rapport à des gens qui, qui vous diront qu'ils n'ont pas de, de par hum. exemple, chez qui euh, ils n'ont pas d'argent pour prendre un hôtel. Donc tous ces aspects-là ont fait que c'était très difficile de maintenir quelqu'un, mais maintenant on a retiré, on peut vous remettre, euh, on vous remet votre euh, passeport. passeport, mais on vous demande également de, de, mais de, demande de respecter quand même le, l'auto-isolement pendant les sept jours et également au septième jour le test euh, qui sera fait chez le passager. Alors, est-ce que ces contrôles sont menés euh, exclusivement par les agents de l'aéroport international de Niamey, ou bien il y a une équipe donc, euh, du ministère de la Santé qui était chargée de mener ces contrôles et d'orienter probablement les, passagers. Il y a environ sept équipes que le ministère de la Santé a déployées au niveau de l'aéroport de Niamey pour euh, effectuer ces, en tout cas, faire respecter ces mesures. Et en plus même de, du travail au niveau de l'aéroport, il y a des équipes qui, sont identifiées pour euh, suivre même les passagers au niveau de au sein de, la, communauté pour vérifier mm. le respect de l'auto-isolement. Mm. Oui, il y a des équipes que le ministère a envoyées pour, en tout cas, des équipes sont disponibles pour euh, le suivi de ces mesures. Ce n'est pas seulement les policiers ou les agents de l'aéroport. Parmi ces sept équipes, est-ce qu'on peut avoir une idée par d'au moins deux équipes euh, concrètement Qu'est-ce qu'elles font Bon, il y a des équipes qui. Il y, a une équipe quand même qui est là hmm. pour la, la, prise de la température hmm. et également pour le, le test rapide. Hmm. c'est-à-dire il y a un test qui s'effectue au niveau quand vous arrivez. Il y a des équipes qui font cela, mais il y a également des équipes parce que quand le, le passager vient, il y a une euh, fiche de surveillance qu'on lui demande de remplir. Et avec cette fiche, parce qu'ils ont le numéro de la personne et le lieu de résidence, hmm. de temps en temps, il y a une équipe qui va pour vérifier d'abord si l'effectivité de l'auto-isolement et également pour voir s'il n'y a pas une, euh, un changement de la situation par rapport à la, la symptomatologie de, de, la maladie. Hmm. Bien. Nous revenons à vous, monsieur euh, docteur Lagaré Adamou. Euh, vous êtes virologue au Centre de recherche médicale et sanitaire Sermes. Quel est le rôle que joue donc le Sermes, euh, votre service, dans cette chaîne Bien, euh, effectivement, par rapport, euh, si je peux compléter, effectivement, mais c'est vraiment, euh, donc, tout à l'heure, expliqué tantôt que, en tout cas, par rapport au messager du, du secrétaire général, hmm. toutes les mesures qui ont été, en tout cas, annoncées, sont, en tout cas, maintenues, à l'exception d'une, hmm. pour cause de beaucoup de raisons, en tout cas, qu'il a évoqué certaines, hmm. donc celle du retrait du, du passeport. Oui, donc ça, c'était le 11 c'est le 11 décembre, là, le décembre. décembre que mm. ça a été mm. euh, donc, euh, annoncé. Donc, euh, annonce qui met fin au retrait des, passeports, mm. mais que l'autoconfinement, en tout cas, toutes les autres mesures sont, maintenues. Donc, du côté du seulement si vous voulez, au fait, le centre de recherche médicale et sanitaire, il reste en tout cas si vous voulez, parce que sur le plan, c'est comme nous, nous, avons l'habitude de dire, euh, la Covid, c'est une maladie, au fait, euh, si vous voulez, il faut, à travers euh, un, un, diagnostic mhm. virologique qui confirme cette maladie. Elle ne peut pas être décelée cliniquement. Et à la matière, le CERMES est. Euh, donc, à la matière, donc forcément, euh, le CERMES est, aujourd'hui euh, les le labo, en tout cas de, de, référence, les le qui a été, le laboratoire qui a été désigné officiellement par les, autorités sanitaires pour, en tout cas, mener, en tout cas, ou gérer, en tout cas, toute la stratégie des tests pour cette maladie. Donc, euh, du coup, pour ces différentes mesures, donc, euh, les SERMES, euh, au-delà des tests PCR qu'il faut faire mm. à tous les, voyageurs ou les, les, les, personnes, en tout cas symptomatiques, ou en tout, mm. toutes les autres catégories de personnes, donc, a été aussi désigné pour gérer aussi. Euh, tantôt, il parlait des tests rapides. Hmm. parce Parce qu'au fait, à la fin du confinement, c'est un test à la fin du confinement d'auto-isolement ou d'auto-confinement d'une semaine. Hmm. C'est un test rapide. Ce n'est plus un test PCR. Hmm. C'est un test rapide qui est réalisé. Euh, sur le voyageur ou en tout cas. Alors, est-ce que, euh, entre parenthèses, vous, pouvez nous expliquer ces deux types de, de tests, le PCR dont vous parlez et le test rapide en oui, en fait, euh, quand vous voulez, en fait, la PCR, c'est une technique moléculaire. En fait, c'est la méthode de référence. C'est la méthode la plus sensible, mm. la plus spécifique, en tout cas pour mm. détecter plusieurs pathologies, de, plusieurs en tout cas germes dont le, SARS-CoV-2 qui est mm. responsable de la COVID-19. Euh, euh, maintenant, les tests sérologiques lui, c'est au fait, il nous donne, donc la PCR donne des informations par rapport à la phase aiguë de la maladie. Ça veut dire que quand on détecte une personne positive par la PCR, ça veut dire qu'il est vraiment en phase aiguë. Euh, il est euh, à l'état de, de, transmettre en tout cas la maladie de, à un autre. Ça veut dire que le virus est présent, dans son organisme. Et le test PCR, c'est ça qui euh, consiste à, à, faire un prélèvement au niveau des narines Oui, généralement le test PCR se fait à travers un prélèvement nasal, nasopharyngé, On mm. qu'on introduit donc le couvert au niveau du, naso, nasopharynx mm. pour racler un peu les, les, cellules parce que mm. le virus, c'est un, un, organisme intracellulaire, donc il se retrouve dans les, dans les cellules donc il faut aller racler. Donc c'est avec ça qu'on fait le test PCR. Et contrairement au test rapide, qui est un test, euh, comme le son rapide, donc en 15 minutes on a le résultat parce que la PCR ça demande minimum, en tout cas, si on n'a pas beaucoup de, patients à tester, minimum c'est 4 heures de temps. Mais au-delà, si on a des, centaines, ça peut aller euh, à 6 heures, euh, à 8 heures. Et ces test rapides, c'est un prélèvement sanguin C'est un prélèvement sanguin, effectivement, pour le test rapide parce que là, ça permet de voir, en tout cas, euh, le, si le patient, ça donne deux, il faut euh, vérifier si le patient a développé l'organisme du patient, de, la personne a mm. développé des anticorps mm. anti-SARS-CoV-2, notamment les immunoglobulines M, les IgM mm. et les IgG. donc c'est ça qu'on essaie de détecter avec un test euh, rapide, juste une ponction au niveau du, du, bout du doigt qu'on dépose euh, sur la cassette et qu'on fait, on réalise le test et en 15 minutes on a le résultat. Il peut être positif ou négatif en IgM ou IgG. Donc IgG au moins ça veut dire que c'est une infection euh, assez euh, longue. Mhm. Ça veut dire que la personne a eu contact avec le virus, ça fait au mieux, au moins ça, trois, trois semaines à plus. Mhm. Euh, jusqu'à peut-être 3-4 mois, on sait que l'immunité ne, ne, dure pas. Mhm. les IgM, c'est quand même une infection plus ou moins récente, hein, un contact plus ou moins récent entre deux semaines, etc. Donc c'est la limite au fait de la PCR. Donc c'est ça que ça donne des informations. On peut, aussi ne pas trouver ces IgG et ces IgGM. Oui, effectivement, quand on n'est pas quand, on n'a jamais été malade, quand on n'est pas euh, malade, donc on va retrouver qu'on est négatif parce que tout simplement euh, l'organisme, le virus, on n'a pas eu contact avec le virus, donc l'organisme n'a pas réagi pour développer ces IgM et ces IgG qui permettent de protéger un euh, soit peu l'organisme. Donc, c'est ces tests qui sont euh, administrés après les 7 jours. Donc, la, terre je pense que dans tout ça, les a mis en place tous ces dispositifs euh, avec des équipes mobiles un moment. Après, il était question de regrouper tous les gens au niveau du village chinois mm. euh, pour, euh, parce que c'était difficile de joindre tous les domiciles des, différentes personnes pour, mm. pour les prélever. Donc, c'était un rendez-vous. Des équipes sont placées, sont mises en place au niveau de l'équipe de, de comment on appelle ça des villages chinois. Hmm. Et jusque-là, je pense qu'elles sont encore là. Donc, euh, malgré qu'il a levé, donc à la fin du confinement, il faut aller se faire euh, tester. Et, quand on est négatif, là, effectivement, on peut vaquer à ses occupations. Donc, si on résume, les, tests, les tests PCR euh, sont réalisés au niveau même du CERMES, c'est ça oui. Mais par contre, au bout de, de la semaine d'autoconfinement, le test rapide, lui, il est, il est réalisé au niveau de, du village chinois. Du village chinois. Où se trouvent des, équipes pour ça. effectivement, pour diminuer l'engouement. Et après, les gens, on, on, leur délivre directement leur certificat sur place. Mm. Alors, et, euh, à moyen, vous, recevez combien Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes testées euh, à moyen par jour ou par semaine Au total, toutes catégories confondues, j'imagine. On était à une une moyenne de 300 au début, en tout cas jusqu'à fin septembre, mm. une moyenne de 300 euh, personnes personnes testées par jour. Mais, là, à ce jour, on est quand même à une moyenne de, 500 mm. et souvent plus par jour. Alors, euh, euh, je, reviens à, vous, Monsieur Bourema. On sait que les tests qui sont avec lesquels les, en tout cas, les résultats des tests avec lesquels les gens voyagent c'est qu'on fait le test. J'ai fait par exemple le test aujourd'hui. Je reçois le résultat demain et je voyage demain. Je quitte demain. Et euh, d'aucuns disent que euh, on peut avoir un, document avec un test négatif, mais être contaminé au, cours, du voyage. La, contamination est possible même après, comme vous avez déjà délivré le, le mm. Peut-être même au, moment où on vous délivrait, vous pouvez vous faire contaminer ou bien pendant le voyage, dans l'avion ou peut-être au niveau de l'embarquement. C'est possible. Et euh, la contamination, c'est-à-dire quand la personne est testée mm, négative, ça veut dire que avant, avant le test, il n'a pas été en contact avec le virus. Mais ça, ne veut pas dire que après le prélèvement, peut-être, comme le docteur a dit, après le traitement, le prélèvement, que la personne ait été en contact avec le virus. C'est mm. possible. Mm. Alors, est-ce... oui, allez-y, docteur Au fait, les, résultats, c'est ça. On a vu effectivement beaucoup, on a ces gens de problèmes à gérer quotidiennement, des gens qui refusent peut-être les résultats, etc. Mm. Donc, les, tests, euh, au fait, le résultat du test n'est valable que, c'est-à-dire la date le moment du prélèvement. Si, vous, si on vous donne un résultat euh, demain matin pour un prélèvement réalisé aujourd'hui à 16 h donc ça veut dire c'est uniquement pour ce prélèvement à 16 tout le temps que vous avez passé jusqu'à 16 h vous n'avez pas été en contact avec, vous n'êtes pas malade, vous Mais attention, été... mais, même, même ça, hum. même ça, avec quelques réserves. Avec Parce que tout simplement, hum parce que c'est des voyageurs, normalement. des voyageurs, parce qu'on ne cherche pas d'autres informations, que, etc. Normalement, il y a un temps d'incubation. Parce que ça ne veut pas dire si maintenant, par exemple, vous êtes en contact avec le virus, vous êtes, vous êtes fait contaminer, ça, vous déclenche déclenchez pas la maladie tout de suite. Ah donc, vous allez être indétectable, donc, donc négatif. Mais ça veut dire que peut-être que le virus est en train d'évoluer lentement. Hmm. Pour toutes les maladies, c'est comme ça. Un moustique ne vous pique pas tout de suite et vous développez le, le, paludisme. Donc, il y a un temps d'incubation de 2 à 3 jours quand le, virus, ou en tout cas le, plasmodium, va se multiplier dans votre organisme. Il y a, quand même ces paramètres à prendre en compte. Donc, il faut que les gens tiennent compte de, ces paramètres. Au fait, il pour eux que quand ils étaient négatifs, qu'ils aient, aient déjà été contaminés, mais parce que la charge qu'ils avaient hmm. été une charge en tout cas trop minime parce que le virus n'a pas, eu l'étendue. Hein. Donc ils sont négatifs, hmm. mais leur situation peut changer dans 3-4 jours. Et souvent, quand on a des gens qui viennent par exemple se faire tester aujourd'hui pour X raison ils reviennent 3 jours, 4 jours après pour un autre, ils sont positifs, ils sont surpris, ils disent non, on a non. Mais parce que tout simplement, c'est dynamique. Hmm. Donc, c'est n'est pas statique. Donc, il faut le, Alors, qu'en est-il des personnes, e-, des voyageurs qui arrivent dans un pays X et qui, au, bout de leur séjour, voudraient retourner et, après le test, qu'ils se retrouvent avec un résultat positif Ces gens, ils ne voyagent pas. Ils ne peuvent pas voyager. Naturellement, c'est lui qui est venu pour, pour un temps. Au retour, il va faire le test. Et s'il est positif, en principe, naturellement, il doit aller dans un centre de prise en charge. Hmm. Est-ce que des mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas de, de faille à ce niveau en tout cas, au niveau Je veux dire, au niveau de l'aéroport, la, prise, la présentation d'un résultat positif est automatiquement. On va même pas à l'aéroport avec un résultat positif. On ne part pas. À l'aéroport, là, vous ne rentrez même pas à l'aéroport avec un test positif. C'est-à-dire, le jour où vous voulez retourner, si vous êtes euh, étranger, vous voulez retourner, avant d'aller à l'aéroport, il faut faire le test. Si vous êtes positif, c'était automatiquement, on vous prend en charge dans un centre. Même quand la personne ne présente pas de signes de la maladie Même Dès lors que c'est positif, il n'y a pas de voyage. Hmm. Et la prise en charge, elle commence aussi automatiquement, même pour les cas asymptomatiques. Oui. Hmm. Alors, avant de continuer sur la dernière partie de cette émission, docteur Lagari, vous avez dit qu'à un moment, vous étiez dans la moyenne de 300 Mhm. consultation, euh, prélèvement, test euh, euh, par, jour. Et après, maintenant, c'est en train d'évoluer. On, le sait avec la situation actuelle. Est-ce que, en grosso modo, vous pouvez nous dire un peu les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés C'est clair que, en tout cas, dans la gestion de toutes, que ce soit des tests ou en tout cas de toutes ces personnes qui sont, parce que c'est fait sur place, il y, a, quand même des difficultés mm. qu'on rencontre. Mm. Euh, pour les tests, euh, effectivement, vu que en tout cas la, demande a augmenté, forcément ça nous demande en tout cas de, se surpasser, euh, de mettre un peu plus en tout cas de, ressources humaines pour pouvoir évacuer cette demande. Et effectivement, il faut gérer aussi toutes ces, personnes. Effectivement, vous voyez, quand on, parle de voyageur, quand même, un voyageur qui est prêt, qui est. Je euh, je sais pas, si, quand on est prêt, sa valise est prête, on attend juste un test et on vous dit que vous partez pas, ce que ça fait. Un Pour certains des étrangers ou pour X raisons, on ne sait pas ce que les gens vont. vouloir s'en prendre, donc, euh, verbalement. Donc, effectivement, il y a quand même euh, beaucoup de difficultés. mais je pense globalement, on arrive en tout cas avec la bonne volonté, en tout cas, des, autorités en charge de la santé qui ont, en tout cas, toujours manifesté, en tout cas, leur. Euh, en tout cas la volonté d'accompagner cette activité. Mm. Et donc, euh, avec les partenaires, donc on arrive à, tant au niveau du laboratoire en ce qui est en tout cas euh, réactif consommable, on arrive quand même à maintenir euh, les, tests disponibles pour toutes, en tout cas les demandes. Nous avons mis au CERMES un peu plus de ressources humaines pour évacuer, donc ça nous fait travailler. c'est vrai combien, les personnes, ont avoir une idée euh, parce que si vous voulez, il y a plus tout à l'heure, on parlait mhm. de, de, la prise, ça fait depuis, depuis la levée, au fait, de, depuis, une, depuis une semaine. en fait, si vous voulez, maintenant, si vous partez au CERMES, et en même temps, on a, on a essayé de, centraliser tout au niveau mhm. du CERMES. Mhm. Vous avez là le, centre de, prélèvement pour les voyageurs, vous avez les agents de riposte. Euh, et, des prises en charge qui soient là pour prendre en charge directement les cas positifs. Donc, s'il y a un cas qui est détecté positif, dès qu'il vient prendre son résultat, il y a la prise en charge et la réponse qui soit là. Pour, lui administrer son, son, traitement et aussi on lui donne, euh, on prend les informations par rapport à ses contacts. Euh, et aussi, donc, il y, a quand même assez du monde. Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne centaine, mm. euh, rien qu'au niveau du CERMES qui assure euh, toute la gestion. Donc, il n'y a pas que le, diagnostic laboratoire, mm. il y a quand même les prélèvements, la gestion des voyageurs, toute la logistique. Il y, y, a plein de monde qui arrive à. Mais je pense que on arrive. Merci. Alors, nous passons à la troisième partie de cette émission, une courte pause. Bien, dernière partie de cette émission concernant les forces, les limites et les perspectives par rapport aux mesures qui sont mises en œuvre. Alors, euh, Monsieur Sadou, euh, vous êtes membre donc de la commission changement social et comportemental au niveau du ministère de la Santé publique. Quels sont, à votre avis, les points forts qu'on peut relever de ces différentes mesures mises en œuvre pour euh, prévenir euh, les, cas positifs de, Covid-19 au niveau des transports, notamment au niveau de l'aéroport, et quelles sont les éventuelles limites euh, qui peuvent être améliorées. Et donc, par rapport aux mesures, les forces, et je retiens surtout la, la collaboration intersectorielle mm. parce que vraiment on a le ministère de la Santé n'est pas en train de faire cette activité seul. Et on fait intervenir en tout cas tous les acteurs au niveau surtout de l'aéroport. Il y a également des, messages qui ont été élaborés et qui sont spécifiques aux aéroports, particulièrement les trois aéroports internationaux. Et je pense qu'ils sont, sont euh, qu'on peut prendre comme des forces. Mais euh, il se trouve que il y a des difficultés, surtout par rapport au, cas positif. C'est surtout par rapport à l'acceptation de la maladie, mhm. l'acceptation des résultats. Parfois, c'est tous ceux qui veulent voyager. Quand vous voulez, comme le docteur vient de le dire, vous avez votre valise qui est prête, vous voulez voyager, on dit que vous êtes positif. Donc, le voyage doit il y a également, on a des difficultés par rapport à à l'acceptation même du traitement. Hmm. Il y a des difficultés par rapport à l'accès euh, des, équipes pour euh, la désinfection des, domiciles hmm. des malades. C'est hmm. un fait. Il y a également des gens qui, comme il a dit, on prend le numéro, mais euh, quand les équipes appellent, pour, se rendre, pour se rendre ou bien pour avoir des informations sur la personne, la personne dit que c'est pas c'est pas elle, hmm. ou bien parfois c'est la personne devient inaccessible parce que les, les SIM les SIM cards sont retirées des téléphones et on ne peut plus les, les joindre. Ça, c'est vraiment des difficultés que les équipes sont en train de vivre hmm. par rapport à, cette activité. On avait évoqué le fait qu'on peut avoir un, un, un, carnet négatif, mais être contaminé en cours de route. Est-ce que à ce niveau, ce n'est pas une faille peut-être, euh, en tout cas indépendant certes de la volonté du pays d'accueil et, autres, mais est-ce que ce n'est pas aussi une porte d'entrée peut-être de la maladie Je pense que ceux qui quittent ici avec un test positif, c'est le même un test négatif, c'est le même dispositifs qu'ils vont trouver au niveau du pays d'accueil. Et en principe, euh, il vient, euh, il, présente le test négatif. Normalement, il doit également observer un auto-isolement pour voir de la même façon qu'on suit ceux mm. qui viennent au Niger, les pays d'accueil aussi suivent ceux qui viennent euh, chez eux. Mm. Et dans ce sens, je pense que on peut détecter les cas mm, euh, qui sont, qui sont positifs, peut-être qui ont été positifs pendant le voyage, au niveau de leur euh, des autres pays dans certains pays, on s'est fait tester systématiquement à l'arrivée, même si on a un test négatif au départ. Ah, Il y a des pays, même dans la sous-région, qui sont un test systématique. En dehors de, euh, du, du document présenté. Votre, euh, votre résultat, mm. qu'il est négatif, vous êtes systématiquement testé, et souvent même à l'aéroport, avant même de rentrer. Mm. Alors, quels sont, d'après vous, hein, les, pour plus d'efficacité et d'efficience dans la prévention et la lutte contre cette pandémie, cette maladie, quelles mesures devront être envisagé davantage à l'aéroport de Niamey en particulier et dans le secteur des transports en général euh, Par rapport aux aéroports, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est, qui est fait au niveau des aéroports et qui peuvent euh, aider à quand même contrôler la maladie. Mm. Notre difficulté, ce sont au niveau des transports euh, terrestres, mm. particulièrement et les, les, frontières terrestres qui officiellement sont fermés, mm. mais malheureusement qui font, qui dans la pratique ne sont pas fermés. Et en tout cas, après le, constat d'Ayerou, on a quand même, euh, on est parti voir les, sociétés de transport pour leur demander de, multiplier les, des efforts pour observer les mesures. Donc, y a Notamment le, port de, masque, pendant tous les voyages dans le bus, mm. le respect de la distance euh, physique, mm. également les, le, la désinfection de leurs dortoirs, mm. parce qu'il y a des dortoirs au niveau de certaines compagnies, de certaines compagnies de transport, et également l'utilisation du gel hydroalcoolique pour, la désinfection, en tout cas régulièrement les mains. Et on a également mis, pas seulement au niveau des transports, mais au niveau de, de pratiquement tous les services publics, la reprise, en tout cas, des, mesures, le respect des mesures barrières, mm. notamment le lavage des mains, en rendant disponible le dispositif de lavage des mains mm. et l'obligation du port euh, de masque. Et d'ailleurs, des sanctions sont envisagées pour en cas de euh, refus. du de refus de port du masque dans l'administration publique et privée. Merci. Nous terminons avec vous, docteur Lagari Adamou. Euh, peut-être un mot sur les, forces et les faiblesses donc, euh, des mesures euh, en cours et quelles perspectives pour, en tout cas, plus d'efficacité dans la prévention et la lutte bien, je pense qu'il y a quand même assez, si on peut dire, des, atouts. on a beaucoup appris. De toute façon, je, ce que je me dis, on n'était pas dans la même situation qu'en début d'année. où mm. on, on ignorait plus tout de cette maladie. Aujourd'hui, même si tout n'est pas complètement euh, cerné, quand même, on commence à voir clair. On a appris, on a mis en place beaucoup de dispositifs euh, que, à travers les leçons apprises, on a vu. Certes, tout à l'heure, on parlait de, la euh, de l'arrêt de, de, de, comment on appelle ça de de la récupération des passeports, etc. Parce que souvent, on voit des failles, on apprend, on corrige, etc. On a pas mal d'expérience maintenant. Mm. Et je pense que surtout au niveau des aéroports, tous ces dispositifs qu'on a eu à mettre, euh, globalement, même la gestion de la maladie, tout à l'heure, monsieur Bourré maladie, quand c'est quand même euh, une gestion euh, interministérielle qui, qui, est mm. faite avec mm. toutes les disciplines. On mm. a appris de, de, chacun. Euh, les équipes, en tout cas les sous-commissions, nous en avons en tout cas plus de, je sais pas, huit ou une dizaine. Euh, quand même, les gens travaillent en synergie. On, donc, quand même, tout ça, c'est des atouts majeurs qui aujourd'hui font que, en tout cas, nous sommes relativement hum, prêts pour, en tout cas, continuer le combat pour cette maladie. Les failles, on va jamais ça va, ça va On va toujours améliorer, il n'y a, pas de problème. Mais maintenant, euh, globalement, je peux dire que s'il si, si, y a de l'espoir, de l'espoir, je dirais, on a quand même un espoir majeur qui se profile, pas seulement au Niger euh, seulement, mais quand même, c'est euh, depuis quelques semaines, quand même des annonces en mm. termes de, des vaccins, et effectivement qui peuvent certainement dans les mois à venir euh, apporter quand même euh, des, résultats très intéressants et qui peuvent apporter quand même euh, un, un, un grand soulagement dans la prévention de cette maladie. Merci, merci beaucoup à vous tous, chers invités. Et cela nous amène donc au terme du forum d'aujourd'hui qui portait donc euh, sur les mesures de prévention contre le Covid-19 dans les transports publics, euh, donc cas de l'aéroport international de Niamey. Nous avons fait le tour de table ensemble, donc notamment sur les causes qui peuvent expliquer cette regain d'activité virologique de la COVID-19. Entre autres, donc, ces tests systématiques qui sont organisés, donc, qui sont réalisés au niveau de chaque passager rentrant par les voies euh, aériennes. Et il y avait aussi ces rentrées, ces entrées massives de, de migrants qui viennent soit de l'Algérie ou du côté de la région de Tilaveri via la frontière malienne. Nous avons également vu les forces euh, dans cette lutte que des efforts énormes sont en train d'être euh, en tout cas, accomplis pour la prévention de cette euh, maladie, notamment au niveau de l'aéroport et au niveau des différents centres à cet effet. Et depuis un certain moment, voilà, vous l'avez entendu, que depuis le 11 décembre dernier, donc, la mesure annoncée par le ministère tendant à retirer les passeports a été, en tout cas, été retirée. Désormais, les, les passagers peuvent partir avec leur passeport, mais euh, il y a des suivis par rapport à l'auto-isolement que chacun est censé observer. Nous avons vu que les difficultés qu'il y a, entre autres, c'est vraiment l'acceptation. Euh, par la population de l'existence de la maladie, c'est l'acceptation des résultats souvent après les tests. Merci beaucoup à tous, euh, chers euh, auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes à la fin. Je rappelle que nous étions en compagnie de Bouré Massadou. Il est membre de la commission changement social et comportemental au ministère de la Santé publique. Nous étions également en compagnie de Docteur Lagaré Adamou, virologue au Centre de recherche médicale et sanitaire Sermes. Et je rappelle enfin que nous avons également invité le ministère des Transports euh, pour cette émission et ainsi que l'Agence nationale de l'aviation civile sans aucune réponse de leur part. Merci à tous. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de cette émission. La régie son a été assurée par Abdelkader Chambiano, la réalisation et le montage vidéo. al Mustafa, bonsoir.